Nigériennes, Nigérien, mes chers compatriotes, sur tous, Alafada, Ibou Lele, Abou Bakar, flics à s'exprime. Et... vous vous rappelez certainement de ces deux humoristes nigériens. On était ensemble, en tout cas hier, sur l'émission Franco Aoussa. La Miss Rim a beaucoup kiffé. Vous nous avez aussi kiffé à travers les 45 radios partenaires du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous revenons sur cette rubrique pour parler du parcours, non seulement du parcours, mais aussi des œuvres artistiques de deux flics à Aujourd'hui, on me donne la possibilité de m'exprimer comme je veux. Parce que hier, ils ont abusé. <laughs> Alors aujourd'hui, à mon tour de prendre les choses en main. Ou bien c'est passé comme dit. Ah, on dit ça, non ah ah, ça, se dit Je peux parler Ah, vous pouvez parler. Non, vous n'avez même pas à me dire si je peux vous parler. Aujourd'hui, c'est la machine versus les flics. Donc l'émission est machinale deux flics à c'est de cela qu'il s'agit. et Goussala On connaît Goussala Je vais parler aujourd'hui. La révolution. Alors on va parler de la révolution. il, nous a, nous a, payé. C'est ça. Il nous a payé. Donc vous êtes des flux corrompus alors. C'est dangereux. Non, ah. tu sais, c'est pas. C'est comme on dit par exemple. On ne ment pas, mais c'est la vérité qui ne sort pas tout le temps. Ah Donc euh, c'est comme un cadeau. Ce n'est pas corruption. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Ah bon <laughs> ouais. Mais toi, tu voulais parler, mais tu, moins un, tu allais perdre ton poste, mais tu n'avais pas parlé. Non. Si tu veux, parle. Non, tu sais, c'est. Ou bien si tu peux, parler? Non, tu sais comment. Il faut parler. Il Parle. Il m'a encore payé. Ah non, tu pas attends, attends, attends, Aboubacar. Tu voulais dire un truc. Maintenant, tu changes les choses. on y va avec ça C'est un scénario, il m'a payé. C'est bon, bon, coupez, c'est fini. Coupez, coupez, Voilà, <laughs> Aujourd'hui, on va donc parler de deux flics à Niamey. Mesdames et messieurs, sur la rubrique. Eh, l'artiste s'exprime. Ibu, yeah. de Fleka Nyame. Tout le monde en parle. Ouais. Et c'est toi le plus gradé. Dans cette histoire, je commencerai <laughs> toujours avec toi. Et le plus long, on commence toujours avec les plus longs. Albor Koukaï Albor Koukaï Tu connais la chanson de ta nationale Bon, j'entends un peu ça, un peu je connais ça. pas les paroles. Donc tu fais partie d'Albor Koukaï Ouais, ouais, ouais. Mais tu connais la chanson en fait, là J'avais mon prof de mathématiques qui m'a dit un jour <laughs> quand tu vois un homme long là quand tu vois un homme il est long et puis mince mathématiquement parlant c'est qu'il y a quelque part là où c'est équilibré <laughs> quelque part c'est équilibré voilà <laughs> non mais le garçon là il exagère donc quelque part c'est équilibré Même moi jusque là je sais pas encore c'est équilibré ah. en de faire des recherches quoi l'homme long il a quoi tout le euh, monde. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Moi, je parle pas. Je cherche seulement. Ah, toi, tu as compris. Donc. Comme tu as des pieds longs, donc. Euh, je ne sais pas. Peut-être c'est la tête qui est un peu équilibrée. Équilibrée. Voilà. Quelque part, un troisième. Euh. Ah. Ah, là, il va me tout. Je respire plus. <laughs> Ah, tu vas pas respirer. Tu vas pas respirer. Deux flics à Niamey. L'idée vient d'où, Aboubacar Ouais. L'idée de flics à c'est dès le début, comme euh, on l'a dit, donc euh, ça vient, on, était depuis dans le salon de Hibou, on <laughs> avait idée de faire euh, une vidéo. Et là, on avait pensé au truc là, Bad Boy. Bad, Boy, comment on Vous appelle Vous de Bad Boy, Voilà, deux, deux, flics à Miami. Miami, ah, donc, Regardez le terme Miami, Miami. Miami, Miami. Voilà, et donc. Miami, donc, voilà. du coup, déjà, la ressemblance, elle est, voilà, elle est frappante. Donc, en fait, c'est une idée qui a duré. Hein. Depuis, l'idée, ça, ça, ça, ça, date ça date un peu. À chaque fois, on dit, bon, on va faire une série, on va faire une série. À chaque fois, on dit, bon, laisse après, laisse après laisse qu'on va avoir l'argent, les matos, tout ça. Quoi. <laughs> ouais. Après, un jour, là, j'ai dit, regarde, si à chaque fois on dit la laisse après, là, hmm. on va jamais faire la série là. on a eu le donc, matériel. Là, tu hein. viens, on va commencer avec les, les matos qu'on a. Ouais. Oui, les moyens de bord, comme on voilà, dit. Voilà, donc on, avait hein. vraiment un gros, gros matos, un iPhone 6. S. On avait commencé avec ça. S. Hein. Attention, il faut préciser. Ouais, si tu as vu le premier épisode, ça a été tourné entièrement avec l'iPhone 6. 6S, voilà. Mais comme on a des monteurs de malades, voilà. je, je mon chapeau à Arlito <laughs> production ouais. C'est, c'était comme ça. Genre, c'est, on, a, on a vraiment de bons monteurs, quoi. Voilà. Donc, c'est, un bon réalisateur. Vous savez, l'objectif en question aussi de cette rubrique, c'est de vous donner la visibilité, c'est de permettre aussi à tous qui kiffent cette émission de vous accompagner sur le faux. Mais partant déjà de ce que vous venez à l'instant de dire, ça m'a donné la chair des poules. Partant donc de ce que vous venez de dire, nous allons énumérer les difficultés que vous rencontrez dans la production. C'est important. C'est une autoproduction que vous faites Ouais, Depuis, depuis, depuis, le début. Avec euh, vos téléphones portables, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est avec vos téléphones portables. Exactement. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit, un mot à lancer à l'endroit de tous qui kiffent cette rubrique à travers le site du studio Kalangu Est-ce que vous avez aussi un mot à l'endroit de tous qui nous écoutent à travers les 45 radios partenaires pour que nous puissions, s'il le faut, vous accompagner dans la production euh, moi, moi d'abord, Abakar Sayo, j'ai un mot vraiment très spécial à l'endroit de tout le monde. C'est de faire avec ce que tu as dans mhm. les mains. C'est le travail et le talent qui va te lancer vraiment très très loin. Mhm. Je vous assure, Alitoa Production n'avait même pas d'ordinateur, mais il a commencé à faire des productions de clips vidéo. Mhm. Je vous assure, on tournait avec, avec des... Pas d'un iPhone, avec un iPhone 4, on a commencé à faire des vidéos. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est avec des téléphones portables. Avec des téléphones portables. Donc, c'est juste le savoir-faire, la connaissance, l'expérience et, la, volonté. Aussi la volonté. Est-ce que vous, avez besoin d'être accompagné, d'être aidé Oui, bien sûr, naturellement. Ça, souvent, je laisse <laughs> tu, laisses Yves Là, parce qu'après, il va me faire des reproches. Ah souvent, souvent, on dit on fait les choses par passion, mhm. mais souvent aussi, il faut un peu penser à. Au moins. Au moins, voilà quoi. Donc, euh, la, la plupart, des, la plupart des choses qu'on fait, c'est nous-mêmes qui investissons. Donc, euh, moi, je pense que. Euh, vous savez, le Niger, il est très regardé, franchement. Nous qui faisons des vidéos, on le sait, il y, a les statistiques qui nous le montrent. Mhm. on, regarde nos vidéos de un peu partout dans le monde, quoi, tu vois. Mhm. Donc, je pense que ça, déjà, c'est. Je peux dire que c'est un moyen de communication donc pour, pour, pour, diverses entreprises. Mhm. Tu vois un peu, donc c'est un simple placement de produit aujourd'hui, si ça passe sur une vidéo de deux flics à Niamey qui a 100 000 vues, mhm. c'est énorme. C'est énorme, pour l'entreprise. Mhm. Donc pourquoi ne pas penser à ce genre de choses et, nous sponsoriser Parce que on avait, lancé, on avait lancé une demande de sponsoring quand la série avait commencé. On a eu quelques partenaires. Mhm. Et, ça va pas s'arrêter là quoi donc euh, voilà on un peu. continuer moi moi aussi c'est aussi à l'endroit aussi des compagnies de télécommunications là. Bien sûr. Hey, on est là, hey. si on s'éteint deux jours là, vous allez dire quoi Hey, s'il vous plaît. Ah oui, c'est Orange les... tel move là. Hey, s'il vous plaît, c'est des web parce à travers les vidéos qu'on fait déjà, hey. c'est comme si on fait en sorte que les gens restent connectés, tu vois. Non, Tu mets ah. méga juste pour aller voir le deuxième épisode de Deux flics à Niamey. Oui, c'est poste télécommunications. ce moment, là ils inquiètent nous, on est là. Quoi. Hey Ils cherchent de l'aide Alors, on va parler de Deux flics à Niamey, mesdames et messieurs, vous êtes déjà. Euh, vous avez fait combien d'épisodes Ouais, là, le cinquième épisode, euh, on l'avait lancé le samedi passé. Samedi passé Ouais. Là, vraiment, ça commence à être ah chaud. Hein. parce que les cinq premiers épisodes, comme vous l'avez dit, on avait commencé avec euh, les moyens de Bois. Mais on avait eu un partenaire qui nous a. comment est-ce que les choses se passent C'est continuel euh, Je ne sais pas, c'est une série. À chaque fois, c'est des épisodes euh, qui diffèrent ou bien c'est une continuité Oui, en fait, c'est une continuité. quoi. Nous, on, est des, on est deux flics, mhm. donc comme il a dit à Niamey. il y a beaucoup de bandits à Niamey. Ah, bien sûr. entre autres, lui, Entre, autres, comment est-ce qu'on appelle le bandit là qui parle oui. Tu te rappelles de lui Voilà, <laughs> exactement. Ah, polyhybride, on était avec lui la semaine C'est un bandit. Exactement. c'est un bandit, un grand bandit. Exactement, voilà. Il y a tellement de bandits. Il y a tellement de bandits. Il y a tellement de bandits. Oui, oui. Donc, nous, on cherche les bandits et on les attrape. Et lui, il fait capoter l'émission à chaque fois. Donc après, je vais lui régler son compte. Ouais. <laughs> ouais. bah, <laughs> il ne faut, pas dire, il faut pas dire ce qui va se passer. donc c'est vraiment inédit. Donc euh, voilà, c'est un secret. Bon, ok. on, on veut faire changer les choses. Et, nous sommes pratiquement à la fin. Euh, de cette Déjà ah, Bien sûr, parce qu'on a oh. parlé de, de oh on a ce qu'il faut. Et eh, je voudrais que tu passes un message à l'endroit des jeunes qui ont la possibilité de vous porter haut qui peuvent aller liker ce que vous faites sur les réseaux sociaux. à l'endroit hein. de ceux qui ont les moyens. Non, toi, tu vas parler de ceux qui ont les moyens, tu vas lancer un mot. Ah toi, adresse-toi à vos fans. Moi, je vais parler aux fans. Tu le fan ok. Il <laughs> n'y a pas de souci. Vous, comprenez, non il n'y a pas de Donc, toi, tu vas lancer un mot à l'endroit de tout ce qui peuvent aujourd'hui vous apporter un plus dans ce que vous êtes en train de faire. Je veux un franc pas. Il faut regarder euh, la caméra. Regarde ton Tanti. Celle-là Oui, bien sûr. Ton tonton Tanti et tout le monde te regarde Comme dans la petite école <laughs> de Ami. Bon, euh, je viens d'abord euh, à l'endroit. D'abord, je remercie d'abord le, studio Kalangu. On est ensemble. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Donc, on vous remercie. Au nom du studio et de l'équipe, je te dis qu'on est ensemble. Voilà. Donc, euh, voilà, je demande, on demande beaucoup, beaucoup de soutien voilà, donc morale euh, moral et matériel, ça, je ne me cache pas. Moral <laughs> et, matériel. soutien matériel là. Ah. <laughs> c'est quoi <laughs> Moi, j'ai dit. J'ai fait juste comment on a fait l'accord du, du en Hausa, ah, ah, on le coupe. Prends la parole. Eh. Comme il a eu à le dire, le soutien matériel, c'est intéressant. Hein. <laughs> Ah, ah oui, mais, tu m'as dit que tu ne vas pas parler de soutien matériel, toi, sur l'émission. Tu, m'as dit que tu vas hein. parler. Ah, mais tu m'as dit que tu, toi, tu vas parler. Bon, vraiment. Ouais, exactement. Donc, euh, pour les fans, c'est vraiment important. Donc, euh, continuez à nous soutenir, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si vraiment il n'y a pas assez de structures ou de ou d'organisations pour nous accompagner dans dans les productions exactement. Donc, on a le plus besoin de soutien de nos fans parce que c'est pour vous on est là, c'est pour vous on fait ça et c'est pour vous on fera ça, Inch'Allah. Donc, euh, n'hésitez pas, ne vous fatiguez surtout pas. Je confisque les armes. Parce que j'ai envie de parler au fait. Ah, voilà, révolution. Les deux flics. Il nous a payé pour prendre les armes. Bon, tu sais que c'est pas chargé, non Et flic, ah bon C'est pas chargé. Oh. <laughs> Prenez vos armes. <laughs> Mustapha Yuba, Issa Lawali pour la bien évidemment, de l'artiste s'exprime. On C'était les deux flics Kanyame sur l'émission Tous à Fada. À partir de cet instant, on prend congé de vous. Garinga da masa saboda <laughs> garinga da koko De ni na na na na na na na hey eh, toi tu, tu as une meuf bon laquelle je te pose une question ouais. t'as une meuf ou pas ouais si c'est quoi le nom de ta meuf non c'est important. Ouais. c'est important selon ta meuf. Non, c'est important de ne pas le dire. c'est pas bon. Bon. C'est vrai, je suis en groupe. <laughs> il est encore en couple, il est en groupe. Je suis en groupe. Des flics, peureux, machines, toolkit. Hey. Hey. Yeah.